à tous 8h36 minutes d'Alena leen système matinal The Morning King qui est en train Love night night point four Dylan leen le mercredi 23 euh, août 2017 Dylan Warnick, joyeux anniversaire à tous les natifs de choses du haut Dylan comme on a l'habitude de le faire vous aurez de la santé la découverte souvenir souvenir truc et astuce journée mondiale cuisine horoscope ñu d'Adi tout tout ici musique d'Adi di dal si Fatim O, elle n'était pas là hier, elle ne sera pas là aujourd'hui, Tamit. Euh, mais comme on, a la, comme on a fait hier, on va faire ça aujourd'hui aussi. On va être ensemble, vous et moi. Nous savons que nous sommes ci bitim réew duñ déglu fii ci Sénégal est ouest nord sud de leen wax dal leen ak jàmm fii ci King FM on va aller avec Bouba FM à 8h45 minutes Dylan leen vous nous suivre aussi www.kingfm.sn sur notre application GFM et vous sur notre page facebook.com slash kingfmsn sur notre Instagram KingFM Sénégal sur Twitter hashtag KingFMSN mais aussi nous suivre sur euh, Snapchat kingfmsenegal. Sénégal de aussi vous avez la possibilité de nous appeler au 88 628 99 90 ou au 33 841 22 90. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Ce qu'on va faire, c'est passer à la rubrique santé bien-être. Les petites minutes santé. Le sida est le stade ultime de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH1 et VIH2. Le mot sida est l'abréviation du syndrome d'immunodéficience acquise. Le virus du sida pénètre dans le corps par voie sexuelle, sanguine ou est transmis de la mère à l'enfant. Ce virus va ensuite envahir certaines cellules du système immunitaire de l'organisme, les lymphocytes TCD4, qui jouent un rôle fondamental dans la défense de l'organisme contre les microbes. Le VIH-Sida se développent et se multiplient à l'intérieur de ces cellules, entraînant leur destruction. La destruction des lymphocytes TCD4 conduit à une détérioration du système immunitaire qui peut plus remplir son rôle. Lutter contre les infections, les associées à une immunodéficience sévère sont baptisées infections opportunistes car elles se développent du fait de l'incapacité du système immunitaire. voilà c'était la rubrique santé bien-être ñuy avons fait bu ñuy wax sida sida nga xamné nek tout au début dafa eu ay polémique pourquoi parce que beaucoup de gens se disaient que le sida n'existait pas mais euh, on a su que au fil des années euh, ki organisation mondiale de la santé a recensé 33,4 millions de personnes qui ils ont le sida euh, boo ci euh, nombre de décès ça fait 2 millions de décès ça fait dont 280 enfants pour voir que sida fait la virus bi indi l'immunodéficience humaine VIH1 ou le VIH2 sida que 30 de la population selon l'OMS l'organisation euh, mondiale de la santé personne n'a eu de symptômes symptômes symptômes grippe parce qu'il faut noter que de 5 ans jusqu'à 7 ans juróom ben at ba at c'est pas forcément que euh, symptômes di à savoir euh, sa peau day am ay rougeur loolu euh, wala gorge bi metti wala li nga xam ne ne que mooy ay fatiguement wala ay douleur musculaire mën nga ko am normal nga foog ne da nga am grippe wala danga am benn feebar alors que da nga am sida moo tax ñu ne sida mën na bañ a développer wu extérieurement mais si sa biir yaram mi ngi créer ay dégâts yoo xam ne ne que par rapport ak organisme yi nga xamné nek am nga ko yob à savoir euh, sida nak mën nañ ni 4 phases day ñew ci phase 1 phase 2 phase 3 ba phase 4 bo avez ci phase 4 ci lay nekké stade bo xamné nek on sent réellement que la personne une sida à savoir di nga am ay tumeur des ganglions di nga am ay manifestation neurologique mu nek état bo xam nek que c'est ultime pour sida nak pour ñi nga xam nek que dañ ko am soit dañ ko am transmission de mère à enfant wala par voie sexuelle manam nga am rapport sexuel bo xam ne que c'est pas protégé troisième bi moy que par voie sanguine nga utiliser deret bo xam wala nga lal deret bo xam ne que dafa am contamination pour traitement bi nak dëkk bu nek ñi ngi ci mais gisaguñu garab bo xam ne euh que day euh, concrètement sida di leen wax nek que le sida existe bel et bien. Il est 8h50 minutes. C'était la rubrique santé bien-être. 54 minutes, il y a matinale The Morning King avec It's Myself, Bint Love. On va passer à la rubrique People. New tout et ben info. Neymar, 222 millions. Tu pensais que t'allais t'en sortir comme ça. C'est pas facile, mon frère. Let's go crazy, Dauba. Les Minutes People dans The Morning King les dirigeants du FC Barça ont décidé de porter plainte contre Neymar. Pourquoi Une nouvelle euh, annoncée à travers un communiqué officiel du club Blaugrana qui a rapidement été relayé partout sur la toile. Il ne lâche décidément pas l'affaire. Nous comptons d'avoir empoché la somme de 222 millions d'euros contre le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, les dirigeants du FC Barcelone ont décidé de porter plainte contre leur ancien joueur. Une nouvelle annonce à travers un communiqué officiel du club Blaugrana qui a rapidement été relayé partout sur la toile. En cause, la résiliation du contrat de l'attaquant international brésilien par paiement de sa clause libératoire. Le FC Barcelone réclame plus de 10 millions d'euros à Neymar, mais il se pourrait que le PSG soit contraint de payer cette somme parce que quand empoche fay millions pour un joueur tu peux payer 10 millions 10 millions d'euros c'est rien du tout Maintenant, da ngay tant rek nga après l'affaire continue moi je suis fier des Barcelonais on ne laisse pas l'affaire comme ça je vais faire un coup ci deuxième partie aux The Morning King avec Bintou Love di leen c'est un plaisir de vous voir et de vous regarder ki nga xam ne nekk mooy Assane Assane Ndaw Jibi Habib Paris Style Mimiko euh, Georges Tendeng euh, euh, Dedoy 11 Georges Tendeng Ezo Thiam le londonien Aïssa Samb Khadi Samb ñeen ñëpp di leen big up di leen wax c'est pas la peine de di internet euh, Neymar PSG Barça ça ne vaut pas la peine préparer l'ancien tabaski Morgan. gën di dis que euh, ça fait plaisir que chaque fois King FM et King Family di à travers les nga digitales et plateforme digitale di remercier bu baax Faye Tons vous Binet bi lay nuyu bu on va passer à un peu de musique comme que c'est une radio digitale et musical. 12 minutes euh, chef, est-ce que mën nga maa Ce c'est pas parce que je suis abal téléphone rek nga war maa mën ok Daouda j'aimerais savoir à qui tu parles chaque matin ci téléphone chose à vérifier. Bon, Mokta Senghor, il euh, y aura deux Tabaski le 1er septembre pour les Ibadou et les autres le 2 septembre. Euh, Mingi en polémique Bouma, Koutinek Yangi sa avis par rapport à cela. Djibindiaï, pour la Tabaski, la commission a déclaré le 2 septembre alors que tahawai Arafat c'est jeudi et d'après aussi les scientifiques la tabaski c'est le 1er septembre Mimiko Georges Taneng DD 11 Tons Meringue ku Yangi nekk yaa par rapport à la situation juste pour dire que d'un côté il y a les scientifiques de l'autre il y a la commission Té ku ci nekk les nga sa avis 1 scientifique septembre mais tabaski mais commission bi le 2 septembre tabaski euh, on va aller vers deux tabaski je pense mais c'est un débat on va essayer de voir ce que ça va donner finalement mais Koutinek ci nekk nga ce verdict Ni le le septembre ni le 2 septembre donc, euh, Sénégal, à chaque fois, on a l'habitude de voir que soit nous avons deux tabaski ou deux, deux, qualités. Euh, euh, c'est un pays est divisé alors que ce n'est pas le cas. Juste que ce que nous avons que nous comme que la situation est à la normale. À 9h13 minutes, vous êtes dans Morning King, Night Night.4 avec Bintou Lover. Maria Rosa We be tolloon na ma un Despacito yamale. Euh, les pensées de Nicole ladies and gentlemen it's Wednesday today dama leen expliquer une situation qui xam ne que D'abord, il faut encore Daouda page Facebook parce que on va parler des réseaux sociaux D'abord, Daouda mo ubi page Facebook jël ay photo mannequin jël ay photo Laye Bambilor Sakho xam nga mannequin la day def ay publicité et tout xam nga Laye Bambilor Sakho dafa ceene am yaram beau et tout ça rek Cheikh Faye moo ko euh, Daouda ay xarit nañ ñoom ñaar Cheikh Faye daal di jël lépp loo xam ne ne que c'est avantage pour Daouda daal ko dugalal ci page Facebook am man nag Bintu ma nekk fii Sénégal xam nga rek dew ma dikku ma affaire bu dëkk bi dëgër bu baax a baax ma ne cliquer rek daal di xool gis Daouda daal di ko xool. dan ni mais il est beau ce gars hein. ma daal di ko ajouté ba ma ko ajouté nag ñu commencer waxtaan et tout ça daaw bu demee piscine olympique sax duggal photo ma yaakaar ne daaw nga États-Unis nekete yo daaw da demul fenn malheureusement après par la suite situation bi fi mu mujjé moy que daaw da su ceeboon dara rek daa ray bop nit rek daa ñew ñëw ko xaalis mu daa di xola foog na ne que bintu foog na ne que daaw daa téegal gaynde bi fekk daaw daa ngi yónnee rek téléphone bu gëna cher daaw daaw da yónnee chaîne bu gën a cher rek daaw da yónnee lépp bintu di encaissé famille bintu di encaissé mais ba bañ demee ba ci cappaandaw bi daaw da lim def mooy dafa yónnee waa kër bintu ñu takk def mariage boo xam ne ne que oh site yëpp a ko reprendre mariage bi neex saf mais bintu li mu fàttee mooy que à chaque fois daaw da bu doon photo moitié yaram bi rek lay dugal maanaam ci ndigg bi ba ci bopp bi ci kaw ba jouru jëli daaw jot bintu sañse ba matt geej daal di dem ci jour jour boobu Daouda di ñëw dem ba aéroport jëli ko bu mu jëlee nag Daouda wàcc mais ba Daouda di wàcc at chaise roulante la wàccee bintu siggi xool daal di xool xool xool xool mu ne ko man la Daouda mu ne ko non du yow Daouda mu ne ko si man la daaw da maa la yónnee lii at lii at lii bintu daal di ci biir aéroport bi pour wax képp koo xam ne nekk yaa ci réseaux sociaux bi defal naa ko parce que am na ay arnaqueur wala am na ay bintu yoo xam ne nekk ñu ngi ci biir réseaux sociaux bi mais defuñu leen lu dul di tromper les gens. conseil de Nicole. Réseaux sociaux. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté, où chacun d'entre nous utilise aujourd'hui les réseaux sociaux disposant ainsi de comptes Facebook, Instagram, Twitter ou Snapchat, ces canons de communication ont de réels atouts, mais peuvent aussi s'avérer être de véritables ennemis selon l'usage que nous en faisons. Les rencontres sur Internet. Mesdames, mesdemoiselles, méfiez-vous des individus que vous n'avez jamais vus, avec qui vous parlez sur Internet. Il existe beaucoup de sites de rencontres de nos jours, ou même des plateformes telles que Facebook où des femmes et jeunes filles acceptent d'y faire la connaissance d'hommes. Elles leur envoient parfois leurs photos, espérant ainsi que cela puisse découler sur une relation sentimentale sérieuse. Attention à ce genre de choses. Il y a énormément de prédateurs qui se cachent derrière leur clavier. N'avez-vous pas déjà entendu parler de l'histoire tragique de cette jeune Nigérienne de 24 ans qui s'était liée d'amitié avec deux hommes sur Facebook et qui, ne s'en rendant à Abuja pour leur rendre visite tuer par ces derniers, ce qui doit davantage inciter à faire réfléchir. Mesdames, sachez Snapchat, ce réseau social devenu très en vogue depuis un moment que les gens utilisent à tort et à travers. Vous en verrez qui filment dans un cimetière, d'autres dans des toilettes, mais surtout lorsqu'ils sont en voiture. Tout le monde sait que l'usage du téléphone au volant est très risqué. C'est d'ailleurs pour cette raison que cela reste interdit. Malheureusement, très peu encore sont les personnes qui en sont vraiment conscientes. Une campagne contre l'utilisation des réseaux sociaux au volant avait été lancée l'année dernière par les étudiants belges afin de sensibiliser justement les gens sur un tel comportement. Un snap au volant peut aussi causer à un accident mortel. Chantage et harcèlement sur les réseaux sociaux. Des cas de chantage sur Internet. Ça en arrive très souvent. Un exemple peut valoir vous intimider en vous menaçant par exemple de diffuser des photos compromettantes à votre sujet. Si vous ne faites pas ce qu'il ou ce qu'elle dit en retour, cela est devenu chose courante au Sénégal malheureusement. On ne compte plus le nombre de scandales qu'il y a déjà eu à ce sujet. Il y a également une autre forme de cyberharcèlement qui touche plutôt les adolescents pas vraiment au Sénégal, mais particulièrement en Europe. Toutefois, il est toujours bon d'en parler, enfin de dénoncer ce type de pratique. Beaucoup de jeunes dans cette zone ont déjà subi des moqueries, reçu des photomontages qui les ridiculisent ou des messages d'injures sur leur compte Facebook de la part de certains de leurs camarades de classe de manière répétitive. Ils ressentent alors un sentiment profond d'humiliation qui est souvent les, qui très souvent les incite à vouloir se suicider. Il existe également une autre forme d'harcèlement qui se caractérise par la cybercriminalité. Une personne peut créer un autre profil Facebook en se faisant passer par quelqu'un d'autre. Elle voudra ainsi faire votre connaissance en vous envoyant sans cesse des messages privés sur votre compte. Pourquoi les gens aiment-ils tant exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux De nos jours, surtout les relations de couple. Il y a eu tellement de cas au Sénégal de femmes mariées qui ont cherché à se venger des maîtresses de leur mari en diffusant des photos nues ou des enregistrements de celles-ci. Personne n'a besoin de savoir ce qui se passe entre votre époux et vous. Vos problèmes ne regardent personne d'autre que vous. Lorsque qu'on est rongé par la colère et que lorsqu'on pense que la meilleure manière de se venger d'une personne qui nous a fait du mal, c'est de l'humilier en public via les réseaux sociaux, c'est que tout simplement, nous ne valons pas la peine de celle-ci. Je trouve que c'est une manière très immature d'agir de la sorte. Un problème personnel reste personnel. Pourquoi ressentir l'envie de l'étaler sur la toile sans penser aux conséquences qui peuvent surgir derrière De plus, Pensez toujours à livrer le moins possible d'informations sur votre vie privée, d'où l'intérêt de paraître des paramètres de, confidentialité qui mettent à disposition les réseaux sociaux. Nous vivons maintenant dans une société où les individus prennent de plus de plaisir à s'exposer ou à exposer leur vie publique sur Internet. Et c'est ce qui est dommage. À bon entendeur, salut au pays des merveilles. Francky Vincent, hein, c'est ça. Hein? c'est Francky Vincent. Hein? J'ai trouvé. un mon moyen de dama yàgg di de tout muri, comme nga di jël xale di l'en passer derrière moi 5 septembre matt géej dem si soirée je fais un coucou à Aïda à Malambadi, Queen Jalo, Aïdara Gay RFM at Modou Go go future media ce qu'on va faire on va donner une info bu ndaw rek people daal di jàll ci rubrique découverte. les minutes people dans The Morning King. Euh, Tay People, c'est une bonne nouvelle. Aida Stock, si vous vous rappelez, The, Voice. The Voice m'ont participé à The Voice Africa. Euh, The Voice Afrique francophone euh, c'était pour révéler les talents Aïda Sok c'est une très belle jeune fille très élancée euh, ko carrière malheureusement elle ne fait pas elle ne fait pas de la mannequin ce qu'elle fait moins de la musique elle aime la musique et elle s'est consacrée exclusivement à la musique là elle est au Sénégal a commencé à di lancer carrière fi place Dakar ce qu'elle a souhaité moins déjà fi ci King FM première radio digitale 99.4 elle sera là demain à ki nga xam de 18h à 20h Dylan wax ne ne pas rater Aïdo Sok, une très belle voix on va passer à la rubrique découverte découverte dans la matinale Le safari à pied dans le parc de Moll, le parc national de Kankou et sa parcelle à 40 mètres d'eau, Venez vivre une véritable aventure humaine, 100% équitable au Ghana, au gré de vos envies accompagnées de votre guide local avec lequel vous définissez votre propre programme au rythme des percussions et des danses traditionnelles. Vous découvrirez un peuple qui cultive l'hospitalité et la richesse de son patrimoine culturel. Heureux de vous faire partager le récit de la conquête du cacao, le passé glorieux du royaume Ashanti, l'enjeu commercial et humain de la transsaharienne, l'histoire malheureuse de l'esclavage, autant d'instants inédits qui feront de ce voyage une expérience unique et inoubliable. à à 9h39 minutes y a ngi ci matinal The Morning King avec Bintou Love di wax que c'était la découverte de ce jour mu nek euh, Ghana pourquoi parce que Ghana dafa nekk dëkk boo xam ne il euh, y a beaucoup de faune et il y a beaucoup de flore par rapport à l'histoire, par rapport à scène, culture et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas partager cela avec les internautes les auditeurs yi nga xam ne ne que yéen yéen ak ñuy déglu euh, fële Ghana nag boo fa demee am safari tu peux le faire à pied fa nga xam ne le parc de Mol am parc de Cancun. Ce qui est intéressant ci euh, Ghana c'est que dafa am ñaari parti am na benn parti Ghana boo xam ne offrir mille et un visages une palette de sensations à travers les odeurs Manam, lépp loo xam ne que mooy xet bu neex di ko fa fekk y a beaucoup de couleurs mais aussi il y a beaucoup de découvertes visuelles gustatives et humaines Manam, entre nit ci lekk bi mais tamit ci li nga xam ne ne que mooy si gis bi euh, c'est un beau paysage ci gis bi nag euh, mun nañ xol ne que Ghana du Sud moy côté bi nga xamné ne que colonisateur yi fa la ñu bàyyi lépp loo xam ne ne que mooy ay bâtiments du 15e siècle c'est très très très très très beau à savoir nga dem diko découvrir découvrir des ko laal il xam histoire Ghana benen bi Ghana Ghana du Nord Ghana du Nord bi y aura beaucoup de savane tu verras mais tu trouveras aussi beaucoup de faune et de flore benen point bi gëna essentiel euh, doté d'une forte identité culturelle et berceau du pana panafricanisme. Pour dire que Ghana, pourquoi nous c'est le berceau culturel, mais aussi panafricanisme, parce que autant Ghana mom lañ doon wowe Côte d'Or mais ki nga xamné ne ko que le docteur Kwame Nkrumah a changé nom bi en 1958 pourquoi parce que Ghana que le premier pays africain bi nga xamné ne indépendance pour wax né que aujourd'hui la découverte c'était le pays Ghana je vous donne rendez-vous là-bas képp vous xamné ne que bëgg nga visiter Afrique c'est une bonne idée d'aller d'y aller au Ghana jàppal ci King FM jàppal ci Lops jàppal ci RFM jàppal ci Lops jàppal ci Daouda jàppal ci Cheikh fay jàppal ci bint Lova on va passer à la rubrique horoscope des jours. horoscope du jour les béliers, malheureusement pour vous, votre partenaire s'en rendra compte pour deux. Il pourrait même s'énerver de votre tendance à vouloir tout diriger avec votre volonté à tout ce que tout rentre dans l'ordre. Le moindre imprévu, imprévu pourra le stresser. Pour les taureaux, la situation matérielle favorise l'arrivée de l'épanouissement affectif. Le hasard peut vous donner un coup de pouce au bonheur affectif. Pour les Gémeaux, oui, c'est en effet en vous remettant à votre conjoint si vous êtes en couple ou en vous espérant si vous ne l'êtes pas encore que vous passerez une excellente journée qui de plus est grâce à cette affection, vous aurez la possibilité de miser sur l'avenir à long terme. Alors, lâchez le gouvernail. Pour les concerts en couple, et si vous ne trouvez pas une passion commune, cela vous permettrait de vous retrouver plus souvent. Pour les lions, euh, vous aurez beau vous dire que cela ne sera pas important et qu'il y aura des choses plus graves sur cette terre. Il n'en demeure pas moins que vous sentirez un point de frustration et vous aimerez bien que vos amours soient au top. Pour les vierges, votre vie amoureuse est parsemée de mésententes qu'il est difficile de stopper. Cette ambiance étrangère ne vous empêche pas ni rien d'avancer ensemble, mais dans un climat de tension. Pour les balances célibataires, évitez de parler de vos ex à une personne que vous venez de rencontrer, car il y aura de quoi la faire éloigner immédiatement. Pour les scorpions célibataires, vous placez la barre trop top. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un avec ces critères que vous vous êtes imposés En couple, laissez votre partenaire respirer. Vous êtes toujours sur son dos. Pour les Sagittaires, ce sera comme si vous envoyez vos messages à quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur votre couple car votre conjoint est là et vous attend. Pour les Capricornes, des moments à deux sont les bienvenus car vous êtes transformés en bourreau de travail et pensez pas à réserver du temps pour votre vie amoureuse. La personne qui partage votre vie peut en souffrir pour les versos. Mais aujourd'hui, on pourrait vous mettre au pied du mur et vous demander de les abaisser. Tant vous êtes inatteignable. Vous avez peu, eh, vous avez peu oublié que le travail seul ne compte pas dans la vie. Vous devriez rectifier cela et vous lancer dans une aventure humaine. Nous allons finir avec les poissons. En couple, c'est votre partenaire que vous rendez triste en lui parlant sur un ton aussi irrité. Célibataire, revoyez vos critères de sélection à la base. C'était l'horoscope de ce mercredi 23 août 2017. Hey gay, uh, good morning Fatim Bintou Joyce, vous m'avez manqué. Nena Barki Bleu Bleu, mais Arlo ah, Bregnerna. Djibin tout à fait. Hassan, il faut savoir dire parfois I am sorry, mais nous les hommes, on est trop hautain pour s'excuser alors que ça, ne, ça montre notre grandeur. Amdi Mustafa Job, je kiffe ce son. Nous tous, on kiffe ce son. Moi, j'ai dit I'm so sorry à un ami que j'ai oublié son anniversaire. C'était le 19, euh, Sadir Job, partenaire de choc. Euh, Liberté 6, Sacré-Cœur, École David Job, je te souhaite un très anniversaire, beaucoup de bonheur, santé, prospérité lépp lu baax le ngi à Mami Job aujourd'hui dañuy dem ba Ghana daal di préparer un plat pour xam que c'est spécial c'est wele wele mais wele ah un délice préparé à partir de la banane plantain hein. mûre bien assaisonnée avec du gingembre piment clou de girofle et frites dans l'huile servi vous allez lui donner une singulière saveur alléchante pour la préparation pour les ingrédients di nga le quatre bananes au jus de citron une cuillerée de gingembre moulu 4 euh, cuillerées de poivre ba ngay friture Pour la description, coupez les bananes en rondelles épaisses et saupoudrez les morceaux de jus de citron en remuant pour humecter. Dans un autre bol, mélangez le gingembre et le poivre. Chauffez l'huile dans une poêle. Roulez les morceaux de plantain et le mélanger d'épices pour revêtir toutes ces surfaces, puis les mettre à la poêle. Faire frire pour que les morceaux deviennent croustillants et dorés. Avec une écumoire, récupérer les bananes plantain et les passer dans un chiffon absorbant pour que vous les les ramener comme moyen serviette ou dans une ou dans des serviettes pour enlever tout ce qui est l'huile. Servir à chaud. C'était la cuisine de ce jour. où elle est est. <laughs> Africain là, c'est compliqué. Kelewele, c'est quoi jàmm la daaw da dépose ton téléphone kan ngay waxal 8 h ba 10 h mais quand même, je te respecte beaucoup parce que sans toi, ça n'aurait été rien today. Je te fais un big up, un respect total comme ni que RFM de waxee daaw le grand technicien. Technicien de fil là oh. technicien de S. Je fais un big coucou à Tata NF, à Alimoto et à Charfaye, équipe digitale. I love you. See you tomorrow, ladies and gentlemen. King FM. la matinale. King FM 99.4. King FM 80.